Chers auditeurs, euh, bonjour à tous. Nous sommes jeudi 27 juillet 2023. Il vient de sonner 11h à Niamey au Niger. Bienvenue dans votre incontournable émission Le Niger sur Kalangou. C'est un rendez-vous quotidien qui vous tient informé, diverti et connecté au monde qui vous entoure. Du lundi au vendredi, diffusé sur les différentes ondes des radios partenaires du studio Kalangou. Au micro, je suis Ali Moukela Ouseni alias Seno et à mes côtés Salamatou Kadri pour la présentation. À la technique, nous avons Seini Issa et à l'édition Adama Dawaki. Bonjour Salamatou, comment tu vas Bonjour Seno, je vais bien et toi Super, alors qu'avons-nous au menu ce matin Sinon, nous avons élaboré une sélection de sujets captivants qui ponctueront la journée de nos fidèles auditeurs. Tout d'abord avec notre flash d'information qui apportera un condensé des événements marquants à l'échelle locale, nationale et internationale. Vous aurez aussi de la bonne musique et on fera le tour des différentes régions pour nous inquérir de l'ambiance qui prévaut. Dans la rubrique invité du jour, nous allons écouter euh, un entretien qui nous a été accordé par euh, euh, Abba, journaliste et expert en questions sécuritaires. Nous parlerons avec lui du coup d'État intervenu hier au Niger. Alors, sans pour autant tarder, chers auditeurs, je vous propose de suivre le flash d'information avec Rafika Ataer. Bonjour. Bonjour Rafika. Alors, pour ce matin, actualité oblige, nous allons d'abord parler de la déclaration rendue publique tard dans la soirée du mercredi au 26 juillet par un groupe d'officiers des forces de défense et de sécurité nigériennes réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP qui a annoncé avoir mis fin au régime dirigé par le président Bazoum Mohamed. La junte militaire qui a ainsi pris le pouvoir a annoncé comme principales raisons la dégradation continue de la situation sécuritaire et la mauvaise gouvernance économique et sociale. Dans une série de communiqués lus par le porte-parole de la junte, le colonel-major Amadou Abdraman, la junte a aussi annoncé la suspension de toutes les institutions issues de la 7e République tout en s'engageant à respecter l'intégrité physique et morale des autorités déchues. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées jusqu'à la stabilisation de la situation. Un couvre-feu a été instauré sur toute l'étendue du territoire national de 22h à 5h jusqu'à nouvel ordre. Autre actualité dans ce flash info, l'impact de l'insécurité sur le droit à la santé et à l'éducation à Tilaberi, Tawa et Difa au centre d'un atelier organisé hier par la Commission nationale des droits humains CNDH. Pour leur président, le choix des trois régions n'est pas fortuit au vu de la situation sécuritaire humanitaire critique qui prévaut dans ces zones et dans les zones de conflits armés les conditions de vie précaires, l'absence d'accès aux soins de santé engendrés par la destruction des infrastructures sanitaires et les déplacements des populations sont des obstacles à la réalisation du droit fondamental à la santé. S'agissant des besoins en éducation, force de reconnaître, selon toujours le président de la CNDH, que l'insécurité a eu des conséquences désastreuses sur l'exercice de ce droit fondamental parce que les écoles sont des cibles d'attaques privant les enfants de leur droit à une éducation de qualité. Enfin, les travaux de validation du rapport d'évaluation des dépenses fiscales exercice 2022 ont débuté hier à Dosso. Cette rencontre permettra aux participants d'examiner de près les mesures d'incitation économique et d'équité sociale appliquées à travers les régimes dérogatoires. L'objectif du régime fiscal permet de générer un niveau de revenu adéquat permettant au gouvernement de financer ses activités et poursuivre certaines, certains objectifs sur le plan économique, social, culturel et bien d'autres domaines pour le bien-être des populations. Cette évaluation, selon le directeur des études de la planification et des statistiques fiscales à la Direction générale des impôts, M. Mohamed Balarbe Ibrahim, fait partie des meilleures pratiques en matière de gestion de la politique fiscale. C'est pourquoi, a-t-il indiqué, que le gouvernement demeure déterminé à poursuivre sa politique de développement économique et social grâce à une meilleure mobilisation des recettes fiscales qui constituent l'essentiel de ses ressources budgétaires. C'est tout pour ce flash d'informations de ce matin. Merci Rafifi pour toutes ces informations, chers auditeurs. Comme annoncé tantôt, nous allons suivre une un entretien de Sidiki Abba, Sidiki Abba, désolé, journaliste et expert des questions sécuritaires. Oui, mais avant, Salamantou, nous allons d'abord euh, savourer euh, la première musique euh, sur notre playlist. Il s'agit de Kutubo du groupe Soga. le titre que vous êtes en train d'écouter du groupe Soga. Kutubo est une traduction qui se fait après le deuxième jour de la fête de Tabaski. C'est l'autre en ce moment, c'est que les gens font. Non. C'est en ce temps que les gens préparent le bouillon de tête et pattes de mouton ah. qu'on appelle communément Moloku. Exactement. <laughs> qu'on a conservé. <laughs> voilà, c'était le titre Koutoubou euh, du groupe Soga. À présent, chers auditeurs, écoutons l'entretien de M. Sidik euh, Abba. Ah, bonjour, M. Sidik Abba. Quelle lecture faites-vous du coup d'État intervenu hier au Niger Alors, pour deux raisons, euh, le coup d'État peut être considéré comme une réelle surprise. la première, c'est que le pays a jusqu'ici fait preuve d'une stabilité politique apparente euh, parce que quand euh, vous regardez, euh, il n'y a pas eu de crise politique au Niger, comme on a pu le voir par exemple au Mali en août 2020, puisque comme on sait au Mali, le pays a été beaucoup secoué par la crise post-élection législative où la Cour suprême avait accordé des sièges, la Cour constitutionnelle avait accordé des sièges au parti de Ibeka qui était contesté et qui a conduit au mouvement euh, au, M5. Et il y a euh, cet argument de la stabilité politique euh, qui peut être pris en compte. Selon vous, qu'est-ce qui justifierait ce coup d'État Alors, les auteurs du coup d'État ont eux-mêmes donné les éléments qu'ils estiment être les raisons de leur action. la première raison, c'est la dégradation de la situation sécuritaire. En effet, au-delà de euh, l'apparence euh, de résilience et de bons résultats, le fait est que euh, il y a aujourd'hui une progression des groupes djihadistes, les deux groupes enseignes d'ailleurs, l'État islamique au Grand Sahara, dans la partie euh, Tilaberi, et frontière avec le Mali, et puis le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, dans, du côté de la rive droite du fleuve, c'est-à-dire la région de Tamo et la, la région de Saï, et euh, le parc euh, W. Et cette double présence fait que euh, il y a quand même des difficultés sur le plan de la lutte contre le terrorisme qui se manifestent même si on n'a pas réussi, comment dire, à, à, les mettre en... Donc les militaires qui sont sur le terrain, eux, voient toutes les difficultés qu'on a à obtenir des résultats à la hauteur des attentes des populations, mais surtout des résultats qui correspondent à la présence militaire française puisqu'il y a une présence militaire étrangère au Niger, on aurait pu s'attendre à ce que euh, les résultats soient encore meilleurs. Et donc, si vous mettez ça ensemble, ça peut créer un sentiment de déception et de fâcherie euh, de la part des différentes, euh, de la part des militaires. Mais le la deuxième justification au coup d'État, c'est la question de, je pense, et c'est ça la, la, fragilité du régime qui a été renversé, c'est que euh, sur le plan de la lutte contre la corruption, euh, les engagements pris euh, en avril 2021 n'ont pas été tenus. La lutte contre le terrorisme, euh, la lutte contre euh, la corruption n'a pas enregistré des résultats spectaculaires. Il y a eu quelques arrestations ici et là, mais fondamentalement, la corruption n'a pas reculé et les principaux dossiers, les dossiers emblématiques de la lutte contre la corruption, comme le dossier du ministère euh, de la Défense, n'ont pas été élucidés et les personnes qui sont présumées responsables euh, de cette situation n'ont jamais été arrêtées. Donc c'est tout ça mis ensemble qui explique un peu euh, là où les militaires ont trouvé des arguments pour justement justifier leur, leur coup d'État. Et sans doute, comme on l'a vu, le coup d'État est parti de la garde présidentielle qui a finalement réussi à rallier les autres corps de l'armée en, vendant sans doute euh, ces arguments-là, les arguments de la lutte contre la corruption, les arguments euh, de toutes sortes pour essayer de, de rallier le reste, euh, le reste de l'armée à l'opération qui a été au début lancée par la garde présidentielle. Chers auditeurs, c'était là la première partie de notre entretien. Sidik Abba, journaliste et expert en questions sécuritaires au micro de Tarnan Foudey Ahmed. Exactement, Salamatou. Avant de poursuivre euh, l'écoute de cet entretien, nous allons marquer une petite pause musicale et cette fois-ci, on va retrouver le grand baobab de la musique moderne nigérienne. Il s'agit de Maliaro du Goumbé Star qui nous chante d'Abdié, une chanson du regretté Hamad Abdié qu'il a repris. On écoute. Abdoulaye plus connu sous le nom de Maliaro, est un musicien nigérien. Il a commencé sa carrière artistique en tant que jeune joueur de gumbé, puis avec des amis forme en 1996 un groupe de musique, le Gumbé Star un groupe qui actuellement est l'un des meilleurs des groupes qui fait la fierté de la musique moderne nigérienne sur les plans national et international. Et eh oui, Wiza Andounia Kalsuru. Cher auditeur, c'était là le titre, euh, euh, le titre Hamad Abdi de Goumbé Star, chanté par Maliaro du Goumbé Star. Alors, poursuivons cette fois-ci euh, notre entretien avec Sidik Abba, journaliste et expert des questions sécuritaires au micro de Tarnan Foudé. Monsieur Sidik Abba, quels sont les impacts de ce coup d'État sur la situation sécuritaire au Niger et au Sahel A priori, le coup d'État peut faire craindre à juste raison d'ailleurs, euh, un recul de la lutte contre le terrorisme. En ce sens que euh, la junte peut, euh, le pouvoir militaire peut être occupé par l'agenda politique au point de ne pas avoir le temps de s'investir totalement dans la lutte contre le terrorisme. Mais dans le cas du Niger, et en raison de la situation avec le, la situation au Mali ou au Burkina, il est possible que le coup d'État puisse faciliter la coopération entre euh, la junte euh, entre les, pouvoirs militaires du Niger, du Mali et du Burkina. Vous savez, comme le Niger était le seul régime civil euh, à côté de ses voisins burkinabés et maliens, la coopération n'a pas été toujours très bonne. Les opérations conjointes que le Niger faisait avec les armées du Mali et, et du Burkina, ces opérations-là ont été suspendues à cause des mauvaises relations qu'il y a entre Niamey et Ouagadougou, Niamey et Bamako. Maintenant qu'un euh, pouvoir militaire s'est mis en place, il est possible que euh, les militaires puissent communiquer plus facilement entre eux. Et dans ce cas, euh, la coopération transfrontalière va reprendre et les armées du Niger, du Mali et du Burkina vont retravailler ensemble. Et si elles le font, ça pourrait impacter positivement la lutte contre le terrorisme parce qu'aujourd'hui, la menace, elle est transnationale et la réponse ne peut être que transnationale. Dans le cas d'espèces avant le coup d'État, la menace est restée transnationale, mais la réponse est restée nationale. Chacun fait de son côté ce qu'il peut et les djihadistes en ont profité pour attaquer le Niger, se réfugier au Mali, ou attaquer le Mali, se réfugier au Niger, ou attaquer le Burkina, se réfugier au Mali ou au Niger. Donc, eh, la coopération transnationale, transnationale ne marchait pas. Et avec l'arrivée de la junte, on, peut voir que euh, les différents pouvoirs qu'acquis dans les trois pays pourront se parler plus facilement et obtenir plus de résultats dans la lutte contre le, terrorisme. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Voilà, mesdames et messieurs, après cet entretien direction Agadez, euh, nous avons en ligne Moussa Maman, notre correspondant sur place, euh, pour nous faire la situation de l'actualité. Hein. L'oblige, hier, l'armée a pris le pouvoir en renversant le régime de la 7 République. Moussa est déjà en ligne, n'est-ce pas, Salamatou oui. Moussa, bonjour. Bonjour. Comment se présente la situation de la ville d'Agadez oui, actuellement, comme vous, vous, le, le, constatez, actuellement, à Gadez, euh, nous sommes en fête aujourd'hui. C'est les grands jours de la fête de Bianou. ok Où la population est en train de fêter malgré l'événement qui est en train de passer dans, la, dans le pays. Ok, cela n'a pas impacté la fête non, non, en pleine fête actuellement, la, les festivaliers sont au, palais du Sultan. Mhm. Ça n'a pas impacté la fête. D'accord. Ok, d'accord. Euh, quand même, jusque-là, toujours sur la situation, la population euh, d'Agadez euh, euh, toujours est dans la confusion parce que malgré la déclaration de l'Alliance, hmm. les gens ne sont pas encore rassurés de ce qui se passe dans le pays. D'accord. Merci beaucoup, Moussa Maman. Merci beaucoup. Et bonne fête aussi de Viano. Merci. <laughs> bye bye. Voilà, à l'instant, c'était bien Moussa Maman depuis euh, Agadez. Nous poursuivons toujours avec euh, nos correspondants dans les différentes régions pour nous enquérir des différentes situations qui prévaut actuellement dans ces régions. Cette fois-ci, nous allons à Dosso. Si notre correspondant de Dosso est déjà prêt, on nous signale que le correspondant n'est pas encore prêt. Nous allons prendre une pause musicale en attendant que nos correspondants puissent euh, nous rejoindre dans cette émission. Allons-y avec euh, le titre Yeti Eta » de l'artiste Abel Zamani. My brother, you anybody. If you know how people they go through, you go shout, say you're blessed. Too. Oh. Yeah. You are blessed, though. So this, enemy myself. Enjoy life with me, my sister. Tomorrow is not promised, so as you got today. Do what you want you when you're at the You oversee, you are oversee. You are a gun, no day. You oversee. gonna Cher, c'était Yeti Yita de l'artiste Abel Zamani, c'est nous. après Agadez, maintenant direction d'Osso pour savoir ce qui se passe aussi de l'autre côté. Notre correspondant est en ligne, Aussi Abdraman. Aussi, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Oui, je vais bien, je vais bien. Quelle est l'atmosphère qui règne dans la ville de Dosso suite euh, aux événements d'hier euh, hier, euh, en tout cas, depuis euh, vers 18h jusqu'à vers 22h, mm. donc j'ai dû un peu sillonner la ville de Dosso. Mm-hmm. La ville de Dosso était complètement calme. mais très tôt ce matin, lorsque je me suis dirigé vers le gouvernorat, donc vers le centre-ville de Dosso, mm-hmm. j'ai constaté une grande foule en tout cas qui s'est massé euh, au niveau de, de la devanture euh, du gouvernorat de Dosso. Et cette euh, foule était venue manifester son soutien au CNSP. Et on peut constater, en tout cas, parmi ceux qui, je dirais, dirigent la foule, ils avaient le drapeau du Niger et le drapeau russe en main et euh, ils ont pu lire euh, une déclaration de soutien au CNSP, une déclaration qui a été traduite en langue Hausa et en langue germain. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce que j'ai pu constater. Et après cela, après la lecture de cette déclaration, euh, la foule a marché pacifiquement le long des grandes artères de Dosso. Ok, d'accord. Merci infiniment. Alors, euh, si euh, la technique est prête avec nous, je pense qu'on va aller directement dans la région de Difa, n'est-ce pas, Sali Oui, effectivement, c'est notre direction Difa. Notre correspondant Guidi Abdraman est en ligne, j'espère bien. Allô, Guidi Oui, allô Guidi, bonjour. Oui, bonjour. Guidi, quelle est la situation de la ville de Difa actuellement To jifa yanzu dai haka kowa dai yana al'amuran shi kamar yadda an ka saba. Hmm. Sai dai idan ka biyo kowane hanya za ka iske mutane suna zazzaune ne suna wato tattaunawa bisa kan wannan al'amari da ya faru domin Eh, yana nuni da cewa kamar eh, mahi yawancin 'yan jifa sun sa rai cewa da shugaban kasa a 'yan kwanaki kalilan ya saura ya zo nan garin jifa kuma zai gudanar da waɗansu abubuwa da suke tsammani zai gyara musu gari hmm. sai kuma wannan abin kwatsam da ya zo ya sanya mutane diya gaskiya abin al'amarin ba su ba shi goyon baya ba. Hmm. To, dako, hmm. mun gode sosai. Merci. salam. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. À présent, chers auditeurs, accueillons notre chroniqueur sportif qui est déjà prêt, qui est dans ce studio avec nous. Il s'agit de Soumana Amadou. Alors, Soumana, bonjour. Bonjour. La partie sport de cette édition nous est présentée par vous-même, Monsieur Soumana, et nous allons en région, plus précisément à Dogondouti, région de Dosso, pour parler du TGV de football. Eh oui, donc euh, le tournoi des grandes vacances de football des moins de 17 ans, du 17 de Doganduchi, qui est à sa deuxième édition, a débuté le 19 juillet et se poursuivra jusqu'au 3 août, qui coïncide avec la célébration de la fête nationale du Niger. Donc, euh, cette compétition a regroupé neuf équipes du département. Pour plus de précision, écoutons Haruna Gagara Maïgoudani, président du comité d'organisation du tournoi au micro de notre correspondant Hassan Abdou Arzika. Pour ce qui est de ce TGV de cette année, donc, euh, nous avons à liste neuf équipes reparties en deux poules dont la première euh, poule est composée de l'équipe de Agumu, Agadez, Nassara et Dragon. La poule 2 composé de Bagdad, Académie, Wadata, Matankari, Ubandawaki. Le TGV est allé du mercredi 19 juillet au 3 août 2023. Donc euh, la finale, Inch'Allah, se jouera le 3 août 2023. Pour le moment, nous sommes... Euh, à la première phase, le premier tour, tour dont les équipes sont en train de, de compétir. Je vois que dans une des poules, il y a cinq euh, équipes, alors que l'autre a quatre équipes. Donc, comment se passent les éliminations Comme nous, on voudrait directement au deuxième tour passer à la demi-finale. Donc, euh, on s'était organisé avec euh, les coachs. La poule 2 qui est composé de cinq équipes. On va éliminer trois équipes. Il y a deux équipes qui, qui vont passer. Maintenant aussi au niveau de la poule 1, il y aura deux équipes qui vont passer. Donc ça sera le, croisement. Le premier de poule 1 va croiser le deuxième de poule 2 et le premier de poule 2 croisera le, deuxième de, de, de poule 1. Eh bien, donc, rappelons que l'Académie FC a remporté la Coupe lors de la première édition de 2022. Merci infiniment pour euh, toutes ces informations sportives. Chers auditeurs, nous allons à présent euh, décoller pour euh, atterrir à Maradi, n'est-ce pas, Sali Eh oui, eh oui c'est nous, notre correspondant Mohamed Maman est en ligne. Mohamed, bonjour. Bonjour. Mohamed, comment est la situation Comment ça se passe de l'autre côté de Maradi concernant les événements d'hier euh, à Maradi, euh, en tout cas, nous avons tous appris, euh, comme tous les Nigériens, les événements qui se sont déroulés et je vous assure qu'ici à Maradi, tout se déroule normalement comme d'habitude. les gens vont à leur occupation, le grand marché est ouvert, les banques sont ouvertes. Les gens sont même attroupés, certains sont en train de chercher leur salaire. Euh, les activités euh, vont bon train ici à Maradi. Super, super. Alors, merci infiniment, euh, Maman, pour euh, cette information. Merci, merci, Mohamed. Bonne journée à vous. Bye bye. Alors, chers auditeurs, on va marquer une pause musicale, encore une fois de plus, avec, ce, avec ce groupe. Il s'agit bien de Tal National qui nous chante ici Kani. On écoute et on revient juste après. oui, Kani, cher auditeur, c'est bien évidemment le titre de cette belle chanson composée par le groupe Tal National, un groupe qui n'est plus à présenter au public nigérien, un groupe qui fait également la fierté de notre musique nigérienne. On continue toujours à nous enquérir des différentes euh, euh, informations dans les régions. Cette fois-ci, nous allons euh, à Tilaberi, n'est-ce pas, Salamatu Oui, notre correspondant Ziza. Hasumi est en ligne. Hasumi, bonjour. Ramadou, bonjour. Mata Gaham. Ça va, alhamdulillah, Mata Borakulu. Borakulu Sankara. To, Hasumi, irga birin bai, ifo di fono go ne ga te tilberi ra irme cino bo. To, tilberi sun honda dai alwato ne karai go danga matkan alwati kulgu dano kwa. in hmm. eh, kun su subura arabore ifata yuko ingegwe fari borekenge kufari kufari borekenge sorusi ko iko ingegwe te yadin mono sarusi goitere mm. yuko go nga matkan alwati kulu e iga goida ok mm. to on kuna dai nyama irdu hari eske din tilabere har mo arndu hari wallahi haro abu i hanno zama alkano a makaikai amiri ta koyi ne oh. aziz mm. aziz tilberi borai bai haikanta ya mai mu o kiberi borai bi wokai borai go sikka sikkara kala alwato kan studio kalangu zama borai kulu aran bai no yanno kan bo kulkanin kan bade nano hun kuna wasa dara dara fo bo borai ki hankan yi ba alwato dilanu imana halu alwati kancin studio ngu albahare to hankan no kuli gibore bon ita kubai ya din mono te kan studio kala ngu albahari to bore hangan ni ma hankan te ne to aram makan kan chimone ya wodno nan bore fatta haya bun bo kware zama tilberi irsinda eh, dangi mene eh, radio kan boregi hingen hangal gudu albaharu alwato kan himanda e kala e studio kala ngu siyire kan bore gorgo e batu merci Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Voilà, à l'instant, c'était bien Abdulaziz euh, depuis euh, Tilaberi. Chers auditeurs, nous allons quitter euh, la région du fleuve pour aller de l'autre côté de Tawa pour euh, bien évidemment aussi nous enquérir de la situation qui prévaut actuellement de l'autre côté de Tawa concernant les événements qui se sont déroulés hier dans la capitale Niamey. Notre correspondant, je crois bien, il est déjà en ligne, hein, n'est-ce pas Salamatou Il est déjà en ligne, Idriss Adamou est en ligne. Idrissa, bonjour. Bonjour, mon Allah. Allah, Idrissa, quelle est la situation de l'autre côté To, a halin yanzu dai halin da ake ciki komi na tafiya kamar ganda aka saba. Mutane na nan ga gudanar da harkokinsu yanzu suka nan ga yansu wacce sahiya ta Allah. Madalla. Sai dai damuwa da ake nan ga gani bisa ga huskokin kowa yayin da wani ya ji daɗi wani yakan nuna damuwar tashi damuwar ma ana iya karanta ta tun ranar jiya lokacin da labarin na ya ɗan fara zuwa ko ina eh. za ka ji mutane sun damu domin su shi ne kenan ga faruwa a cikin ƙasa hmm. daga dalika har zuwa ƙarfe goma sha ɗaya kenan lokacin da ya zama to ita rundunar sun zuji ta hito ta gayi irin halin da ake ciki hmm. wasu da daman gaske ma ba samu su kwanta ba saboda domin su samu cikakken labari eh, amma yanzu kowa ya samu labarin ko eh to lalle yanzu labari ya basu domin duk inda ka zo ka iske gungun jama'a za ka jin suna tsaki mm-hmm. magana ce kawai ake ta maimaita ta ko'ina ina mm-hmm. ko kowane na son kuma har yanzu shi san wane ne da shirin doka watan ragama mm. domin jagorancin kasar ta mutane haka ne to madala muna gode maka sosai muna kuma gaida kowa da kowa a can garin eh, tawa Merci infiniment. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, après Tawa, cher auditeur, euh, direction Zander, toujours avec euh, nos correspondants. Et cette fois-ci, ça sera le correspondant des Zander. Je pense bien il est déjà en ligne. Moustapha Momansani, il est en ligne, je crois. Mustafa, bonjour. Bonjour. Alhamdulillah. quelle est l'atmosphère qui règne dans la ville de Zander suite au coup d'État d'hier alors, ici à euh, il rien ne semble sortir de l'ordinaire. Je suis à la ville, je suis actuellement même en ville. Ok. Et on à normalement. Je sais certains points névralgiques de la, ville, comme la tribune officielle que vous la ville, le CVTS, euh, les cadres y Pas des dispositifs qui montrent qu'il y, y, a un événement qui a eu lieu hier notamment ce coup de, force contre le régime de Bazou Mohamed. Uh-huh. Par contre, au niveau du siège du PNDS, j'ai trouvé vraiment une grande ambiance. Euh, je vous rappelle qu'hier, ils ont sorti une déclaration aux environs de 22h30. Hmm. Euh, donc, euh, ils ont un peu fustigé après à la mobilisation, mais bon, c'était tard dans la nuit. En tout cas, ce matin, à Zender, tout va, tout, va bien, c'est la qu'on a, la, vie va normalement comme on a l'habitude quand même. Ok. Alors, est-ce que euh, toute la population des Anders, parce qu'il faut aussi euh, tenir compte de ceux qui sont un peu dans les localités loin et éloignées, euh, genre mm-hmm. qui sont dans les villages, est-ce qu'on peut estimer que tout le monde est déjà au courant de la situation en tout cas, moi j'habite un quartier périphérique, euh, En tout cas, je pense que toute, euh, toute la région, tous les coins du Niger, tout le monde est au courant en tout cas de cette. Vous savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui avec les téléphones portables là. L'information passe rapidement. Donc je pense que tous les coins et les coins de la ville sont informés par cette euh, nouvelle. Hmm, d'accord. D'accord. Eh, mais par contre, ce qu'on peut peut-être noter, c'est un peu l'incidence liée à la fermeture de la frontière. Ok. de j'ai trouvé des gens encore euh, parce que chaque jour, c'est des camions qui partent vers le Nigeria. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai trouvé des gens hésitants, ils ne veulent pas aller, revenir, tout ça là, quoi. Ok. Alors, est-ce qu'on peut, on peut dire aussi que euh, le couvre-feu est respecté de l'autre côté euh, le cours, bon, ça va être difficile à le dire parce que euh, moi, je suis sorti après le cours, de, après la, la limite, c'est-à-dire... Après, 20, euh, après 22 heures je suis sorti ce matin-là vers 8 heures, donc déjà c'est à 5 heures là. de Effectivement. voilà, donc je ne peux pas confirmer s'il est respecté ou pas. Hmm. Mais on va attendre de voir peut-être après 22 heures euh, si les gens vont continuer à baquer à leurs préoccupations. Hmm, ok, d'accord. D'accord. Hmm. Voilà, merci euh, infiniment euh, pour toutes ces informations depuis Zander. nous profitons également de ce moment pour dire bonjour à l'ensemble de nos, nos, auditeurs qui se retrouvent de l'autre côté de la capitale de Damagaram, bien sûr. tous <laughs> Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Voilà, mesdames et messieurs, euh, à l'instant, c'était bien la région de Zander. Avant de continuer, nous poursuivons notre émission avec euh, cette euh, musique. Et cette fois-ci, nous allons retrouver aussi un artiste qui a beaucoup apporté dans le domaine musical nigérien. Il s'agit bien de Maman Barka qui nous chante La Presse. On écoute et on revient juste après. Bayonnement et musulman, arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat. C'est de tout cela que je n'ai rien compris. Bayonnement et musulman, arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat. C'est de tout cela que je n'ai rien compris. arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat, souffrance des journalistes du monde entier. La voix de la presse, c'est la voix du peuple. La force de la presse, c'est celle du peuple doit s'en servir quand il a besoin. Il peut s'en servir quand il a besoin. Mais dès qu'il s'en sert, c'est le baillonnement et le musulman. Arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat. C'est de tout cela que je n'ai rien compris. et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat, souffrance des journalistes du monde entier. Président de tous les pays, dirigeant de toutes les nations, empereur de toutes les cités, libérez, libérez la presse. Libérez, libérez la presse. Libérez, libérez la presse. Libérez, libérez la presse. Laissez les journalistes tranquilles. Laissez-les faire leur travail. Laissez les journalistes tranquilles. Laissez-les faire leur travail. La voix de la presse est la voix du peuple. La force de la presse, c'est celle du peuple. Il peut s'en servir quand il a besoin. Il doit s'en servir quand il a besoin. Mais dès qu'il s'en sert, c'est le bayonnement et le musulman. Arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat. C'est de tout cela que je n'ai rien compris. et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat. C'est de tout cela que je n'ai rien compris. C'est de tout cela que je n'ai rien compris. Voilà, chers auditeurs, euh, après euh, ce titre, euh, la presse de l'artiste euh, Maman Barka. Nous allons à présent euh, découvrir les titres de la grande édition de ce soir. Et justement, nous sommes avec euh, Rafika Atair qui revient encore une fois de plus. C'est elle qui est chargée hein, de présenter le journal à français. Bonjour ou rebonjour. Rebonjour, c'est nous. <laughs> Alors, ah. quels sont les titres euh, de ce soir Alors, on en avait déjà parlé dans le flash euh, tout à l'heure. Il s'agira aussi dans l'édition de 17h du fait que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP a annoncé hier tard dans la journée avoir mis fin au régime dirigé par le président Bazoum Mohamed. Pour plus de précisions, justement, rendez-vous ce soir. Et de la partie magazine, vous nous amènera, et la partie magazine nous amènera à la découverte du Garou, une muraille qui protège et sauvegarde le patrimoine historique de Zender. Merci beaucoup Rafiki, Rafiki, merci, merci. Chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission. Le Niger sur Kalangou, vous étiez en compagnie de Ali Munkela Ousseini, alias Seno 50%, et moi-même Salamatou Kadri. Le plaisir était grand de partager ce moment avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour demain avec un nouveau numéro. La technique est assurée par Senisa. la et la grande dame Adama Donwati à l'édition. Bye bye. Ciao, ciao.